fekk paa bi nekk si ñun nos vacances daaw ñu nekk si mbedd mi dañ ko à l'atelier loolu moo tax ñun ñëpp ñun ñu am euh, esprit de faire monde ñun ñëpp ñu am j'ai pas dit vocation ñun ñëpp dañ judd si monde montre, tax ñu am plaisir am amour monde préparation et tout j'ai d'autres frères ñi nga xam ñi ngi exercer d'autres métiers mais nous aussi ils savent réparer les montres parce que c'est vacances vacance, ko doon passer à l'atelier Nous, on a réparé la montre Abdou on a réparé la montre Ablaye Wad. Les ministres consorts, directeurs associés, tout ça là, comme nous presque autorités, nous avons réparé ces montre. Les autorités filles, nous avons réparé ces montre. Ma montre Abdou Diouf, je l'ai réparé moi-même. Moi, année où je quitté, non, un an avant de quitter, Ibagay, xam nga Iba Gueye bi nekkoon euh, à ne c'est pas Je suis indi avec un gendarme je mi ngi doon préparé wu dem en Allemagne dafa am ben montre bu ko chancelier bi mayoon mu ne buy dem fofu bëgg na ko une montre en or massif il l'a amené c'était un samedi maa ngi doon waaj a wàcc il yu bëggee dafa ñew rek ma arrêté lepp lu may def avec le motard je lui ai réparé mu ne président bii la bëgg tak takk ma démonté ko dafa ko science tenante réparé ba bien mu contane montre Ablaye Wade fekk na fuñ koy réparer mais c'était pas moi même fekk na sam papa mi ñew ñëwee indi montre parce que mon ngi le cabinet mi euh, à la rue de Thionk toutes ces montres aussi pas que ko le réparé c'est devant moi Quand mon j'en suis témoin oculaire moom sax déplacé wu montre fauve. moom si à des fois mu c'est comme d'autres ministres d'autres nangam depuis que je suis sama BFM laa ñëw fii année boobu dafa tombé woon ak paa un jumelage avec la chambre des métiers de Besançon parce que Pabi est le président de la section euh, service de la chambre des métiers du Sénégal Nous avons dem jumelage à Besançon Nous avons fait 25 jours Nous sommes tombés en vacances ma suis ma gérer j'ai vu que ça m'a plu et je continuer pour vous dire que ni ba ma bàyyee C'est sax sama proviseur ñëw na di pourquoi ngay bàyyi paa bi ah c'est ça mon mot ko je ne l'ai jamais regretté me regretté lu ma quitté école ñëw fii exercer métier bi paa bi def kooku benn métier la bi nga xam si dama ko bëgg pérenniser jusqu'à présent mes fils nag n'en veulent pas parce que ñoom ñi ngi jàng booy ay kii ñuy tout ça là mais man dama ko bëgg a pérenniser quoi benn leg la bi nga xam si dama ko bëgg pérenniser si vous avez le matériel adéquat parce que les technologies, de dafa parce que les dañuy dépassé air air mécanique Nous avons air coax air électronique si tu n'as pas le matériel adéquat tu pourras pas travailler man y a ma dimbali le lu war horlogerie même les appareils pour diagnostiquer extérieurement une montre pour savoir si c'est une panne mécanique ou c'est une panne coax ou électronique ou quelque chose comme ça je ko xam sans pour autant me démonter si vous n'avez pas ça vous nga démonter une montre toute une journée te du baax nga ni borom tu as perdu toute une journée il faut nga xam d'abord au préalable de quelle panne ça s'agit ba pare directement nga jubal si si panne bi nga et puis aussi nga am les les les les les le comment dirais-je le pas le matériel nga am euh, les pièces man am la possibilité bi nga am les pièces depuis l'étranger je fais des commandes et ça vient. vrai pour dire vrai amul ben formation extérieure ma def man je l'ai appris devant les vieux man dama elle élèves venue di passer mes vacances jangale horlogerie loolu la pa bi mom boo koy côtoyé rek rapidement da ngay am amour moom da ngay mëna a moi je peux dire que le métier nourrit son homme parce que man euh, du duma la wax seul je sais mais li may rapporter vraiment brillant. Mais je gère beaucoup de familles, des familles et des familles, à part de ça. Rien que de ça, je gère beaucoup de familles. Mais pour vous dire que nous, euh, nous poussons, nous avons impacté un tout petit peu.